tey bés bii du bésu bés bu ci ndax engagement a été toujours un engagement de servir euh, notre pays mais particulièrement de servir caisse. dans tous les domaines le domaine bu nga santé, ne woo nañ le président Abdoulaye la guerre, ñëw na dugal na fa loxo ay seen yëpp ñu ñu woon ñëw pour que nous mën notre a toog suñu appui symbolique parce que dama jàpp ni euh, euh, ñoom li ñuy def moo ëpp mais nous avons nañ considération une humilité vraiment fait que si dotation équipement yi nga xamante ni leen et je pense que nous avons day rek euh, soutien dans le monde sportif particulièrement le football nous avons une cohabitation à accompagner euh, les ASC accompagner le football euh, soit je pense que lolu ça date euh, de très longtemps tay y motax ñu né dinañ ñëw perpétuer la tradition indi ben enveloppe bo xamanteni c'est à hauteur de 25 millions yo xamanteni ñu parce que bu ñu waxé Thiès bi une Thiès nord pièce ouest une pièce est euh, qui regroupe 95 vingt chaque ASC a euh, reçu un jeu d'équipement recevoir ben ballon

C'est sa magistère que le Sénégal a gagné une Coupe d'Afrique. C'est par sa magistère que le Sénégal a gagné plusieurs coupes On a eu cinq six 7 coupes et je pense que c'est le loolu mooy yéene bi nga xamante ni def na ci football def ko ci sport Sénégal euh, le Sénégal fait partie des pays les euh, plus sportifs mais également des pays émergents sur le plan footballistique. stade Abdoulaye Wade a bii le président Macky Sall defal ñu stade de renommée internationale te respecte aux normes internationales donc je ni loolu bu ko defee football la ko defal sport la ko defal donc tey war na tax ñun sénégalais yi ñun sportif yi ñu na stade boo xamante ni euh, nekk na stade boo xamante ni c'est un stade qui respecte loolu tey bu ñu amee un président de la république bu yéene loolu ñun ñi nekk si gannaawam di ko jàppale ñu base accompagner euh, euh, euh, le football à la base. et je pense que les tey devaient rejoindre mon frère Diawara mais ko Thiès aussi rappelez-le ay club yoo xamante ni bëgg nañ ëllëg ñu nekk au niveau. donc vraiment j'appelle euh, à l'union pour que les clubs de Thiès puissent être unis ñu nit ñu mën leen a parce que je pense que le rail euh, nous a fait toujours rêver rail de a révélo. Donc donc il y a un club donc je pense que les gens ont nañ doléance par rapport à ça on va continuer à accompagner mais également à soutenir les clubs de Thiès parce que bëgg nañ que euh, club Thiès yi jouer Ligue 1 ba ba jouer Coupe du Sénégal wala jouer championnat Ligue 1 et je pense que les. tey loolu ñun ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ñoo leen parce que aussi euh, le football demande des moyens et ces moyens là je pense que les structures étatiques, les personnes de bonne volonté ñoo war a les clubs donc maa ngi invité di lancer un appel à tous les responsables à tous les personnalités yi nekk Thiès ñu accompagner les clubs civils parce que nak nit ki boo ko puusul dem nañu dooleel suñu club yi. leen di invité té euh, dimanche moy coupe du Sénégal man en tant que sponsor euh, en tant que directeur général de AIBD je suis sponsor euh, de la fédération sénégalaise mané kat wa Thiès bëgg naa leen may 3000 billets pour nous c'est à dire l'occasion pour venir dire merci au président de la République parce que c'est le président de tous les Sénégalais et ren euh, sa dernière participation à une coupe du Sénégal donc les caisses war Sénégal d'accord honorable honoré donc nag loolu 15 politiques nous si majesté ndax si président la la République est la mettre à votre disposition des cartes mettre à votre disposition des tickets pour que ngeen ñëw ñu euh, supporter ce personnage de président Macky Sall mi nga le ni présider cette dernière coupe euh, du Sénégal bi nga xamante ni le président de la République et que loolu tey je pense que ni fierté la pour Sénégal le Sénégal la ndax Sénégal, nga xamante ni def sport def ko football.